Optima gu Optima ñepp ci gis sen Comment dama ben affaire depuis nga tak jabar da nga changé doxin changé waxin changé xol te ñun duñ sa morom man au minimum magee la fukki at ak juróom. mais amatul sens parce que amo jabar. mon amour. oui cœur. Merci. On est ensemble. Bon, avec le travail que tu as réalisé, tu mérites plus qu'un verre, Rose, plus qu'un verre. D'accord, mais c'est parfait. Quand de